Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangu.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème Comment sauver les mares permanentes au Niger, cas de celle de Tabalak dans la région de Tawa. Lamara, dénommé Fallé de Tabalak, chef-lieu de la commune rurale, est situé à l'est de la ville de Tawa sur la route nationale reliant Tawa à Arlita. Elle se trouve à 83 km d'Abalak, chef-lieu du département situé plus à l'est. La Lamara Fallé de Tabalak est classée site Ramsar. C'était une mare permanente alimentée par les eaux de ruissellement de la vallée de Tadis euh, sous le bassin versant du bassin des Ulimandaines. Le Kori d'Ibaga est la principale source d'alimentation de la mare de Falé. La mare de Tabalaka est une continuité des sept autres mares tampons semi-permanentes. Le développement de la ville de Tabalaka est dû aux activités sociales économique autour euh, de la mare Fallée. La mare Fallée de Tabalak est soumise à un contexte environnemental euh, très rude dû à l'envasement euh, du lit et de la mare sous le poids de l'érosion hydrique et éolienne. Avec euh, nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers des réflexions, des explications et des analyses les causes, les conséquences de l'achèvement de la mare permanente comme celle de Tabalak et les réponses aux défis pour leur préservation. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Ibrahim Harouna Mayou, chef de division développement de l'aquaculture à la direction de la pêche et de l'aquaculture à la Direction générale de l'environnement au ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, Ibrahim Harouna Bonsoir. Bonsoir. En ligne, nous avons Abdoulaye Goussouman, maire de la commune de Tabalak. Monsieur le maire Abdoulaye Goussouman, bonsoir. Bonsoir. Et Sani Ayouba, directeur exécutif de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement, JVE. Sani Ayouba, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, nous allons d'abord suivre un élément réalisé par euh, nos collègues en mission dans la région d'Ottawa. Idi Aboubakar pratique la pêche depuis plus de 30 ans sur la mare de Tablac. Pour lui, il arrive que la mare connaisse des périodes de sécheresse. Cette situation que vous constatez est due à l'insuffisance des pluies. Lorsque la mare de Tabalak contenait suffisamment d'eau et trop de poissons, 500 voire 600 pêcheurs viennent pour pêcher, surtout avec l'ouverture de la pêche. Des pêcheurs venaient depuis le Tchad, depuis le Mali. Maintenant, vous pouvez investir 40 000 francs CFA dans la pêche sans gagner 5 000 francs. Mais auparavant, si vous investissez 2 000 francs, vous pouvez gagner plus de 20 000 francs. Le problème de la pêche ici à Tabalak, c'est le manque d'eau dans la mare. Quant à Rabiou Mohamed, lui fait la culture de contre-saison sur les berges de la mare de Tabalak depuis plus de trois décennies. Il n'a jamais connu une sécheresse de la mare pareille à celle de cette année. Cette mare, nous avons fait 40 ans en train de l'exploiter. Oui, elle a l'habitude de s'assécher, mais pas comme il est constaté maintenant. C'est à l'approche de la saison des pluies que l'achèvement commence. Un ou deux mois après, c'est la pluie qui tombe. Mais cette année, c'est pendant la saison froide que la mare s'est asséchée. Les semis sont faits partout, mais il n'y a pas d'eau. Tout l'espace est complètement sec. Idi et Rabiou estiment que cette sécheresse peut être imputable au changement climatique. Auparavant, l'eau coulait d'elle-même. Nous faisons les semis et nous cultivons. Jusqu'à la récolte, nous ne faisons pas de l'arrosage. Mais maintenant, avec le changement climatique, la situation ne fait que se dégrader de jour en jour. Ce qui fait que du semis jusqu'à la récolte, il va falloir faire de l'arrosage. Et pour cela, il y a la souffrance. Vraiment, nous sommes touchés par les effets du changement climatique ici à Tabalak. On peut compter environ 10 mares à sécher, voire 15 d'ici jusqu'à Tintabaladen. Présentement, dans cette partie nord, il est difficile d'avoir une mare qui contienne de l'eau. Retour dans ce studio, Ibrahim Haruna Mayaou de la Direction générale de l'environnement. Vous venez là d'écouter, euh, de suivre un élément. Euh, qu'est-ce que euh, cela suscite en vous Quelle réaction Merci d'avoir invité le ministère de l'Environnement et surtout d'avoir pensé à cette mare d'importance. Euh, en réalité, c'est un site Ramsar, à l'instar des autres sites Ramsar du Niger, qui connaît un problème de dégradation avancée, ce qui risque de mettre en péril toutes les ressources qui sont autour de la mare. C'est quoi site Ramsar Expliquez-nous l'importance d'un site Ramsar. Site Ramsar, c'est-à-dire que c'est une zone humide d'importance internationale, puisque le Niger a ratifié la convention de Ramsar qui a été signée en Iran en 1971. Donc euh, c'est ça les sites. Il y a plusieurs sites, à peu près 13 sites Ramsar, euh, dont celle de Tabalak. L'inscription euh, veut dire que c'est un site d'importance, puisque la mare de Tabalak, c'est une zone humide qui est à cheval entre le Sahel et le Sahara qui abrite une grande biodiversité. Euh, la mare de Tabalak, qui est soumise à un contexte environnemental euh, rude, est même classée site Ramsar, vous l'avez rappelé tout de suite. Depuis janvier, la mare n'a même pas une seule goutte d'eau. Comment l'expliquer On peut expliquer l'assèchement de cette mare par les activités d'abord naturelles, enfin anthropiques, et les causes naturelles. Parmi euh, les causes anthropiques, on va parler de la déforestation. Ah. Sur le plateau, il y a une déforestation avancée de l'ordre de 14% par an. Ensuite, un peu plus en aval, il y a les champs de culture pluviale. Là aussi, on note une augmentation de l'ordre de 0,29% des champs de culture pluviale. Ensuite, vous savez que euh, la zone de Tabalak, c'est une zone pastorale. C'est la limite sud de la zone pastorale où il y a un certain nombre de troupeaux quand même assez importants. Le piétinement fait que le sol est souvent remué, ce qui amène euh, le sable à... À travers les, eaux de ruissellement. À travers les eaux du ruissellement, mais aussi on note euh, une érosion éolienne puisqu'il y a beaucoup de formations de dunes sur les rives. Ensuite, vous avez aussi les terres de culture irriguées qui aussi connaissent un accroissement de 0,34% chaque année. Un peu partout aux alentours de la mare. Tout autour de la mare. Ensuite, euh, on avait parlé des, causes euh, naturelles. ces causes naturelles, c'est d'abord la diminution généralisée des pluies, l'élévation généralisée aussi des températures et de l'évaporation l'évaporation tourne autour de 9,2 mm chaque année. Ibrahim Harouna euh, Mayaou de la Direction générale de l'environnement, est-ce que la forte pression démographique n'a pas euh, quand même des conséquences sur l'assèchement de la mare La pression fait partie puisque les augmentations des terres de culture que nous avons dit et la, déforestation sont directement liées à la pression démographique. Ibrahim Haruna Mayou, cette dynamique d'évolution des eaux doit susciter des réflexions pour une gestion durable de la mare. Le gouvernement nigérien, à travers votre ministère, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, est-il au courant de toutes ces difficultés-là Peut-être que l'avancée du désert, Ah oui, le ministère est au courant parce que ça, c'est une problématique qui est nationale c'est une problématique nationale. déjà, au niveau même de la mare, des actions sont menées. D'abord, il y a une sensibilisation sur l'utilisation des fertilisants moins nocifs. Donc la réduction de l'engrais et des produits phytosanitaires en faveur de la fumure organique. Ensuite, il y a beaucoup d'efforts dans la, euh, fixation des dunes mouvantes, en plus des plantations en bande qui se font autour de la mare pour réduire l'avancée du sable. Il y a aussi les actions de lutte euh, contre les actions CSDRS, conservation des eaux du sol, défense et restauration des sols, en plus des gabions, tout ça là pour essayer de maîtriser quand même euh, la descente du sable vers le fond. Ibrahim Harouna Mayaou, est-ce qu'il ne fallait pas engager euh, des actions de désensablement euh, de la mare Parmi les mesures, effectivement, on peut parler au désensablement on peut même penser au traitement du bassin versant dans son ensemble, faire des plantations dans le bassin versant et même accentuer les efforts qui sont déjà entrepris. Parce que bon, euh, fixer des, dunes, traiter des, terres, si on ne le fait pas sur tout le bassin, ça ne va pas permettre de régler le problème. Surtout que ces sables descendent à travers les couris. Il y a une grande formation des couris qui aussi connaissent une augmentation de l'ordre de 0,56% chaque année. C'est assez énorme. Merci beaucoup Ibrahim Harouna Mayao de la Direction générale euh, de l'environnement au ministère de l'environnement et de la lutte contre la désertification. Monsieur le maire Abdoulaye Boussouman, le développement de la ville de Tablak est dû aux activités socio-économiques autour euh, de la mare fallée, maraîchage, pêche et l'élevage. Comment avez-vous assisté à la disparition progressive euh, de ce patrimoine naturel Tout d'abord, euh, je vous remercie pour nous avoir invités pour cet entretien. En tout cas, cette année, nous avons été euh, impactés par la manque d'eau dans la mare qui est la principale ressource auquel tous les acteurs, tous les paysans, les acteurs de développement s'appuient sur cette ressource importante et importante comme elle l'a dit, cette fois-ci, elle a été victime euh, surtout de l'ensablement, qui sont des mesures qui, dépassent les communes. Et que vraiment, nous savons que c'est nous, au niveau de la commune, c'est des actions un peu limitées que nous faisons pour pouvoir préserver cette mare-là. L'impact surtout, c'est au niveau de la pêche, où vraiment aujourd'hui, je vous assure qu'il n'y a aucun pêcheur qui se retrouve. Certains se sont convertis en des et ça a un coût dur pour la commune. Surtout que l'apport de la pêche est d'environ 14 à 12 pour les recettes euh, communales. Mais cette fois-ci, nous n'avons rien réussi de la pêche à travers les permis de pêche et autres activités. Les agriculteurs aujourd'hui, ou les maraîchers, vraiment, c'est tout parce que chacun a accès à son pain de terre. Donc, ce qui va augmenter la production en, en légumes, en oignons ou en trucs comme ça. Parce que si la mare est tarie, Vraiment, chacun a eu accès à son hôtel de table et la mare est exploitée jusqu'au jour. Quand même, nous, ne voulons pas de cette façon parce que les éleveurs, les pêcheurs ont adopté, même, même les agriculteurs. Donc vraiment, c'est des conséquences qui agissent sur les recettes de la commune. Vraiment, et la communauté aujourd'hui, compte tenu du de la mare, vraiment, il y a un flux d'exode des jeunes gens qui quittent pour aller vers l'exode, vers à savoir la Libye et l'exode. Vraiment, ça a entravé vraiment nos recettes au niveau des communes, notamment au niveau des Les pêcheurs, comme je l'ai dit, c'est les plus impactés et les éleveurs. Mais Dieu merci, avec certains partenaires comme nous avons pu mener quelques activités, notamment les focardages. Et il y a d'autres partenaires auxquels nous faisons recours. Nous avons par exemple le Posté qui nous a aidé à faire des puits maraîchers. Aujourd'hui, je vous assure que tous les transiments qui sont aux alentours, qui font recours à cette période de chaleur, ils sont aux alentours de la masse. Il était un partenaire, euh, notamment parce qui nous a fait depuis maraîcher, aux alentours de la masse. Donc aujourd'hui, ces gens-là sont à travers, ils utilisent, s'en de ces puits maraîchers qui ont atteigné, depuis puits qui ont atteigné l'affaire pour les éleveurs là. Mais quand même, c'est un coup dur au niveau de la commune. Et euh, les experts, si vous permettez. Allez-y, allez-y qui ont encore ensemble. Vous savez, la, la mare de Tabalek, elle se trouve euh, euh, par une ceinture d'inaire. Cette dune-là, vraiment, nous pensons que malgré des efforts qui sont en train d'être faits pour les situations des dunes, mais on est loin de résoudre le problème parce que tout le, tout de la marche c'est des dunes qui sont là. Il y a eu des situations de dunes, mais quand même, les efforts sont moindres. Notre souhait est que l'État prenne des mesures aussi plus conséquentes qui peuvent vraiment rendre la mare euh, plus e, facile et que pour que cette ressource que la communauté utilise vraiment puisse être désensablée. Les coris, il y a un autre partenaire encore actuellement avant de chercher réceptionné des traitements de Cori, qui est un partenaire que nous avons soumis aux partenaires, notamment Prodap, qui nous a traité environ une quinzaine de kilomètres de traitement de Cori. Mais certains, jusqu'à preuve de contraire, sont là et on est en train de réserver, et pour des moyens. à mairie n'a pas assez de moyens le permettant. Nous faisons toujours recours à des partenaires qui sont en train de nous appuyer. Euh, nous attendons aussi l'effort de l'État pour vraiment pouvoir. Parce que rien, je vous assure que c'est la marque qui alimente la zone nord de Tawa, et même là. C'est cette ressource que les gens, en termes de légumes, en termes de, ça alimente toute la zone, la Zawak, voire même le Nigeria à travers des produits maraîchers et Monsieur le maire Abdoulaye Goussouman, la dégradation de l'environnement physique euh, de la mare a eu comme conséquence une baisse drastique euh, des activités économiques. Qu'avez-vous fait euh, de façon concrète sur place Qu'est-ce que le gouvernement nigérien peut faire à ce sujet face à l'urgence D'accord, merci encore pour cette deuxième question nous, de notre côté, nous passons par les sensibilisations qui sont en train d'être faites avec euh, notre radio thème qui vraiment qui, nous appuie à travers des missions de sensibilisation pour pouvoir pérenniser. Par exemple, aujourd'hui, les paysans qui exploitent la mare ou les maraîchers, les producteurs, ils utilisent des haies. donc, à l'approche euh, de la saison hivernale, nous allons faire des missions de sensibilisation pour pouvoir euh, brûler tous ces haies-là aux alentours de la mare et à travers, je vous dis, des sensibilisations au renforcement à travers notre radio, dans nos radios TMS qui nous appuient, et d'autres partenaires, comme je parle de l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui nous a associés dans le cadre de, la, des des plantes envahissantes. Encore, euh, la mairie aussi, de son côté, à travers, elle fait des organisations avec euh, la jeunesse et les acteurs pour nous appuyer à travers sur les fonds propres pour pouvoir acheter, faire les focardages et des sensibilisations. Et euh, aussi, nous faisons des recours à des partenaires. Tout, tout, récemment, je vous ai parlé du PRODAP, à qui nous avons réceptionné des traitements de coris récemment d'environ 12 euh, km. nous ont pour le traitement de coris des CAFAT qui ont été réceptionnés récemment dans tous ces cadres. Donc nous, au niveau de la mairie, nous partons au niveau des partenaires et nous soumettons nos problèmes, etc. Mais le plus grand problème, c'est l'assablement de la marge. Et ça, vraiment, à chaque fois, nous, faisons, nous faisons des lobbying auprès des partenaires ou auprès de, auprès de l'État, donc à, travers même euh, des requêtes et à travers des, micro-projets que nous faisons. Donc, euh, l'État, nous attendons vraiment, nous savons que ça dépasse nos capacités, dépasse les partenaires, c'est un grand euh, chantier et que la mairie, si ce n'est pas l'État qui a pris, c'est l'État qui a habilité à prendre des mesures drastiques pour pouvoir téléviser cette mare-là je vous assure, aux environs de plus de 50% de la population de la zone là exploite la mare là. Donc euh, chacun s'y retrouve. Aujourd'hui, cette mare, si rien n'était fait, les gens, c'est autres, etc., comme je vous l'ai dit, et en voie de disparition, vivent les justement. Certains sont des espèces, comme l'avait dit mon prédécesseur qui a parlé, des facteurs climatiques, notamment des changements climatiques qui sont en train d'attirer. Mais tout suite, il faut noter qu'il n'a pas assez plu l'année passée. Parce qu'il suffit de deux grandes pluies. On n'a jamais enregistré une pluie au-delà de 40 mm l'année passée dans la commune, même aux environs. Donc il y avait toutes les marques qui sont aux alentours, vraiment ont été impactées, elles aussi ne, sont pas rechargées. Donc nous pouvons dire que ça c'est des aspects naturels. Mais tout du reste, la mare, la profondeur de la mare, pour ceux qui la connaissent depuis un certain temps, la profondeur a diminué. Aujourd'hui, la mare, là, ça dépend des, endroits, elle fait une profondeur de 1 mètre, 1 mètre 50 euh, ou de 2 mètres. Donc, euh, pour ceux qui connaissent la mare d'Ancien, elle fait jusqu'à 7 à 10 mètres. Donc, pour vous dire qu'elle est vraiment euh, ensablée par des courroux qui sont aux alentours, qui la ravitaillent en sable. Donc, mais quand même, nous, nous faisons de notre mieux pour pouvoir, avec les sensibilisations, avec le recours des partenaires pour pouvoir faire, euh, etc. Mais le plus grand problème, euh, vraiment, euh, c'est l'État à travers d'autres projets ou l'État même en personne pour désensabler la masse des études qui sont en Merci beaucoup, monsieur le maire Abdoulaye Goussoumane. Restez en ligne le temps de donner la parole à Sani Ayouba, directeur exécutif de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Sani Ayouba, la mare Fallait de Tabalaka est l'une des mares les plus importantes euh, du Niger par sa riche diversité végétale et animale. Le représentant du gouvernement l'a dit tout de suite. Le site est un refuge pour les oiseaux d'eau sédentaires et migrateurs, en particulier euh, les canards et les essachiers. Il habite en moyenne 14% de la population biogéographique de l'Oua d'Égypte. Pourquoi ce silence de cimetière autour de cette catastrophe écologique de la part du gouvernement nigérien et de vous-même, euh, les acteurs de la société civile active dans le domaine de l'environnement Merci beaucoup. Moi, je ne pense pas qu'il y a un silence euh, par rapport à à l'assèchement de la mare ou la disparition progressive de la mare. Oui, mais est-ce que vous en parlez Est-ce que le gouvernement en parle Oui, euh, moi euh, je ne peux pas parler au nom du gouvernement, hein, mais je parle au nom de, de la société civile ou de notre association qui est une association nationale et qui essaye, en tout cas à travers nos activités, souvent de faire l'alerte. C'est ça, on appelle, euh, nous, faisons de la veille environnementale sur certains sujets, tels que le cas des sites Ramsar. Et comme l'avait dit, nous avons à peu près 12 sites Ramsar au Niger et qui sont connus et qui sont d'une importance capitale, pas seulement au Niger, mais à l'international. Et vous savez très bien, L'année dernière, il y avait eu, euh, récemment d'ailleurs, en décembre, il y avait eu la réunion, la conférence euh, sur la diversité biologique au Canada, qui a permis de prendre des mesures idoines pour préserver en tout cas les espèces en voie de disparition, telles que les espèces végétales ou animales. Et on sait très bien aussi l'importance que requièrent les sites Ramsar. Donc les zones Ramsar, il y a même une journée spécifique qui est dédiée à la sensibilisation. C'est qu'il faut retenir, peut-être qu'il y a peu de communication autour de ces sites ou bien autour des sites euh, qui sont dégradés, parce que le Niger est assez vaste et la, problématique est globale. Mais ce que nous faisons, c'est continuer à intensifier la sensibilisation par rapport au changement climatique, parce que ce qu'on dit, le maire l'avait dit tout à l'heure, M. Ibrahim l'avait annoncé aussi, c'est que nous, quand on parle de changement climatique, on ne parle pas de futur, on parle du quotidien, on parle du présent. Et aujourd'hui, le cas de, la mare de, de, Tabalak. est une illustration. Il n'y a pas que cette mare, il y a beaucoup de sites qui sont qui et continuent d'être dégradés. Et à certains endroits menacés. Le, fleuve Niger, nous ne cessons de faire. Chaque année, nous faisons les mêmes émissions, les mêmes reportages, les mêmes cris de par, par, rapport à l'assèchement, par rapport aux activités anthropiques Surtout parce qu'il ne faudrait pas prendre euh, euh, seulement pour dire oui, le climat se dégrade, c'est les changements climatiques. Il y a l'action humaine. Parce que quand on coupe tous les arbres autour de ces cours d'eau, c'est normal que euh, ces cours d'eau ne soient plus protégés, parce qu'il faudrait comprendre les rôles, les, rôles en tout cas de, protection que requièrent ces arbres autour de ces cours d'eau. Et tant qu'on coupe tout ça pour des besoins énergétiques, euh, il a parlé le maire par rapport à, la question du, reboisement. Donc pour moi, c'est important de voir. Euh, on ne peut pas être des fatalistes et dire que non, c'est naturel, la mer s'assèche et on ne peut rien. Non, nous avons tous notre part de responsabilité et c'est pourquoi nous nous cessons de dire qu'il est important qu'on intensifie les actions de protection, de plantation d'arbres, de préservation des arbres et, aussi d'orientation, de trouver des alternatives par rapport au bois, énergie. Parce que les tendances nous montrent que le climat va continuer à se dégrader. Donc c'est à nous de trouver les stratégies endogènes pour mieux nous adapter. Et tant qu'on ne fait pas cela, il n'y a pas que, la mare. Il y a, je ne peux même pas parler aujourd'hui le fleuve Niger, quand on regarde la portion de Niamey, non seulement le fleuve est ensablé, donc c'est le fleuve est pollué, il y a beaucoup d'espèces envahissantes dedans, ce qui perturbe la navigation, ce qui perturbe également la pratique de la pêche et ce qui accentue aussi la disparition de plusieurs espèces. Donc il n'y a pas que euh, la mare même le, fleuve, quand on prend euh, le fleuve, mais quand on revient sur la mare, euh, les populations ne doivent pas rester insensibles à cela parce que leur vie en dépend, leurs activités socio-économiques en dépendent. Moi, j'étais au niveau de cette mare euh, il y a de cela quelques années. À l'époque, on était au Conseil de la jeunesse, il y avait eu le camp de la jeunesse donc à Tabalak. Et euh, la plupart de nos activités, c'est autour de cette mare. Et nous avons même amené les jeunes à visiter, à comprendre l'importance de cette mare. Et je pense que c'est ce genre d'activité qu'il faut intensifier aussi en termes d'excursion, en termes d'apport pédagogique, pour amener l'ensemble de la population à mieux comprendre les enjeux liés à cela et se l'approprier. Parce que nous voyons seulement l'enjeu euh, économique pour dire oui, quand on pêche, on a du poisson, on peut vendre, quand on fait du maraîchage. Mais au-delà de ça, il y a l'équilibre écologique aussi que cela permet. L'équilibre écologique, ça veut dire quoi Non, il y a les, espèces euh, dont vous avez cité. Ah, les, oiseaux. Les oiseaux et autres espèces qui dépendent de cette mare, qui dépendent de cette cour d'eau et qui sont aussi, qui font partie d'un équilibre au niveau de la nature, qui ont un rôle à jouer. Donc, que nous ne pouvons pas nous permettre de, de voir leur disparition. Parce que chaque acteur, comme on l'a dit, que ce soit dans la nature aussi, a son rôle spécifique donc nous devons prendre conscience de cela et faire tout pour préserver. Nous devons arrêter d'abattre les arbres et surtout planter, et entretenir les arbres. C'est comme ça que ce qui va nous permettre de fixer euh, nos cours d'eau, ce qui va nous permettre aussi de régénérer parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que de voir d'autres solutions innovantes pour sauver ces mares et ces cours d'eau en voie de disparition. Euh, Sani Ayouba, directeur exécutif de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement, en raison de sa position géographique dans la zone aride et à écosystème fragile, la mare du Tablac subit continuellement l'agression de plusieurs facteurs, dont les plus importants sont le changement climatique qui engendre la désertification et les actions anthropiques alors que ce plan d'eau constitue la principale source économique euh, de la commune. Faut-il lutter contre le changement climatique ou s'adapter oui, mais je pense que euh, la question du, changement climatique, aujourd'hui, quand on regarde les enjeux autour de la mare, ça couvre ce qu'on appelle les trois conventions post-Rio. La convention sur la diversité biologique, la convention de lutte contre euh, le, changement climatique, la convention de lutte contre la désertification. Donc ces trois conventions se retrouvent au sein, en tout cas, aux enjeux de la mare. Alors, les changements climatiques, aujourd'hui, nous vivons cela. On ne peut pas dire que ça va venir on est déjà dedans, comme je l'ai dit précédemment. Tout ce que nous devons faire, c'est de trouver des alternatives en termes d'adaptation. Et nous avons déjà notre plan national d'adaptation élaboré par le Nigériens qui a adopté et qui a prévu normalement euh, des actions spécifiques par rapport au cours d'eau. Et donc, c'est à ce niveau qu'il faudrait voir quelles sont les actions spécifiques et aller chercher l'argent. Et cette année, l'année dernière plutôt, à Sharm el-Sheikh en Égypte, à la COP euh, sur le climat, il a été accepté la création d'un fonds pour les pertes et dommages et aujourd'hui, je pense que on peut classer, en tout cas la disparition ou la dégradation de nos cours d'eau, on peut les classer parmi les pertes et préjudices qui sont causés par le changement climatique et demander maintenant des compensations ou des réparations. Donc c'est à cela que le Niger peut bel et bien se positionner pour rechercher des fonds supplémentaires et accompagner les initiatives en cours pour la restauration de cette mare. mieux encore, je pense qu'en termes d'adaptation, on peut voir déjà euh, des cas similaires. Aujourd'hui, il y a des pays qui font des lacs artificiels ou des mares artificielles. Et surtout, pour le cas du Niger. Pour les alimenter avec, avec euh, l'eau souterraine. souterraine. On doit, en tout cas, penser à cela en termes d'innovation. Moi, je pense que nous avons vu déjà que la mare est alimentée par les eaux pluviales. Les, eaux pluviales. Et aujourd'hui, on sait que cette zone euh, ne connaît, est en train de, de, de, connaître, en tout cas, une faible précipitation durant la saison des pluies. Donc, il faudrait maintenant creuser pour aller en profondeur chercher de l'eau pour que pour, alimenter, davantage, pour euh, contribuer en tout cas à l'alimentation de la mare. On ne peut pas rester comme ça à dire on attend que la mare est ensablée et tout. Et mieux encore, on peut développer des activités agricoles. Parce que ça veut dire que la mare, quand on regarde les lits de la mare maintenant, le sable qu'il y a aujourd'hui, ça doit être très riche. Ça doit être ah. très riche et propice aux activités on peut agricoles. Récupérer le récupérer sable euh, ça et puis des travaux. absolument pour faire des travaux à vocation agricole. Donc pour moi, c'est des choses comme ça que que ça soit la mairie, que ce soit le ministère, que ce soit les structures de la société civile comme les nôtres, nous devons trouver des programmes assez ambitieux qui doivent nous permettre de mobiliser des ressources pour faire ce genre de travail. Mais pour le moment, on doit penser à l'option aussi d'utiliser les eaux souterraines, surtout que le Niger en dispose. Il y a une étude qui a démontré qu'on a plus de 50 milliards, je pense, de mètres cubes d'eau souterraine au Niger. Je pense que dans cette zone, on peut trouver des lois en profondeur. Merci à tous. On observe une courte pause. Ibrahim Haruna Mayaou de la Direction générale de l'environnement l'on reconnaît cependant que euh, ces immenses ressources en eau de surface ou souterraines dont dispose le pays, Sani Ayouba vient de le dire euh, tout de suite, euh, sont dans les écosystèmes fragiles. Que faire pour sauver ce patrimoine et asseoir les bases d'une gestion durable des ressources de la mare de Tabalak pour euh, sauver ce patrimoine, euh, plusieurs euh, actions peuvent être entreprises. Bah, la première, c'est par exemple de gérer même ces eaux de surface parce qu'elles sont quand même importantes, jusqu'à 26 millions de mètres cubes par an qui alimentent la nappe et, la mare. Ensuite, c'est de développer des activités de résilience. ces, ces, activités, c'est par exemple de revoir la pratique de l'agriculture telle que c'est fait, c'est de revoir aussi le piétinement des animaux, le tout point important d'animaux qui gravitent autour de la mare, c'est aussi de voir euh, comment faire pour euh, substituer peut-être le bois énergie à une autre source pour que ça contribue à diminuer le déboisement. Voilà, donc c'est des stratégies comme ça que on doit mettre en œuvre avec euh, les bonnes volontés nationales, surtout, et peut-être extérieures, quand même nationales d'abord, pour qu'on puisse essayer de diminuer cette tendance. Ibrahim Haruna Amayaou euh, de la Direction générale de l'environnement, le maire l'avait expliqué tout de suite, la pêche contribue à hauteur de 10% du budget communal à travers la patente délivrée aux pêcheurs et les permis de pêche, 10 000 francs pour les nationaux et 20 000 francs pour les étrangers, c'était avant. Comment restructurer, réorganiser pour rentabiliser ce secteur pour le bonheur des populations de la commune rurale de Tabalak. Il est vrai que la dégradation de la mare a aussi euh, une conséquence euh, fâcheuse sur les ressources halieutiques. Euh, depuis 2000, les captures étaient en train de baisser jusqu'en 2012 où ils ne représentent que un tiers de leur valeur en termes de poids. Aujourd'hui, certainement que si on fait les statistiques, on ne va pas trouver le tiers. Maintenant, ce qu'on peut faire, peut-être que en matière de pêche, tant que les mesures dont on avait parlé en amont ne sont pas prises, ce secteur va encore continuer à, chuter. C'est-à-dire que les pêcheurs ne vont plus vivre de, leur activité. Maintenant, par rapport au permis, dans le temps, vous avez avancé les chiffres, mais eh, désormais, on est rentré dans une euh, euh, restructuration. Les tarifs sont en train d'être harmonisés par rapport à la zone UMOA. Les nouveaux tarifs seront vulgarisés bientôt. Est-ce que la qualité euh, du poisson n'est pas aussi à revoir La qualité aussi est à revoir, on ne l'avait pas dit tout à l'heure, c'est vrai. De plus en plus, on note qu'il y a une certaine pollution au niveau des eaux. Voilà. Dit aux pesticides, aux, engrais, aux qui sont en train euh, d'être utilisés dans l'agriculture. Dans l'agriculture, surtout irriguée. Certains pensent que c'est des poissons nains que les gens utilisent euh, au niveau de ces mares. Est-ce qu'on peut euh, chercher à diversifier la qualité du poisson euh, qu'on utilise Diversifier la qualité, déjà, actuellement, il y a quatre espèces principales. on peut diversifier, mais si déjà les quatre qui sont là se portent bien, je crois que les pêcheurs vont continuer à se retrouver par rapport à leur activité. On peut diversifier, c'est vrai. Euh, merci beaucoup Ibrahim Harouna Ammayaou de la direction générale de, l'environnement et de la lutte contre la désertification. Monsieur le maire Abdoulaye Goussouman, il y a de cela quelques années, un cadre de concertation avait été mis en place par un arrêté et une délibération du conseil municipal composé euh, de la mairie, des services euh, techniques, des élus, euh, des organisations paysannes au niveau de l'agriculture, l'élevage et la pêche et de la société civile pour le contrôle et l'entretien des couloirs de passage des animaux pour accéder à la mare, entretenir l'hygiène de la mare et lutter contre la pollution mais aussi de contrôler la variation euh, du niveau d'eau pour alerter dans l'optique de prendre des décisions. Ce cadre de concertation existe-t-il encore euh, dans la commune euh, rurale de Tablac Sinon, pourquoi oui, ce cadre existe depuis un certain temps, depuis l'année mise en place, parce qu'il faut, être, il faut les choses. Donc, ce cadre existe et que, parce que, pourquoi il doit exister Parce que nous, avons cette ressource euh, partagée très importante dans la commune. Toutes les activités humaines, et, etc., l'exploitation, les recettes, etc., découlent de la mare là. Donc c'est pourquoi ces cadres-là existent et doivent exister de toujours pour continuer à appuyer sur beaucoup des aspects. Monsieur le maire, euh, vous l'avez tantôt rappelé euh, tout de suite, les mouvements migratoires des jeunes surtout sont le plus souvent motivés par le manque de moyens matériels et financiers pour promouvoir les activités de la production agricole. Avez-vous une réelle politique pour la jeunesse de la commune rurale de Tabalak Effectivement, comme vous dites, les poids démographiques en train, ça, c'est un des effets aussi qui contribue vraiment dans certains aspects à la disparition de la mare euh, compte tenu de certains euh, fléaux. Mais quand même, euh, nous avons des plans avec lesquels nous, les gens sont, nous appuient, notamment, comme je l'ai dit, la sensibilisation et la recherche des partenaires. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, avec un partenaire qui a appuyé des jeunes, environ des jeunes qui sont environ PGIP, promotion pour l'emploi des jeunes, qui a acheté la commune de Québec dans certains aspects à travers des volets euh, élevage, agriculture et marché. donc qui sont en train de 300, environ 300 jeunes et PGIP nous a appuyés d'un montant de, 150 000 pour pouvoir, euh, chaque jeune, par jeune, pour pouvoir mener des activités de leur choix. Notamment, certaines préfèrent le maraîchage avec l'appui des moteurs et d'autres, c'est l'élevage. Donc, euh, ça, c'est des politiques des jeunes qui est en train de faire. Nous aussi, nous avons une structuration des jeunes qui ont des groupements ou qui nous appuient à chaque fois quand on a recours à eux, donc des jeunes. Notamment quand je parle de USN, ICN, Union internationale pour la conservation des natures, elles aussi, elle a formé des jeunes et euh, euh, les appuis dans le cadre des maraîchers, des RNA, etc. au niveau des alentours. Tout euh, cela, ces paquets d'activités sont faits par les jeunes et les femmes euh, pour pouvoir euh, nous appuyer au niveau de la sauvegarde de pour la sauvegarde de la mare. Monsieur le maire Abdoulaye Goussoumana, la mare se situe dans la zone d'élevage à cheval entre la zone agricole et la zone pastorale. Vous l'avez rappelé tout de suite. C'est la principale source d'eau d'abreuvement à des animaux justifiant que son accès euh, se fait par six couloirs balisés. Quelles sont les autres difficultés des éleveurs euh, de votre commune, monsieur le maire eh, la difficulté, comme vous le dites, c'est une zone agro-pastorale, donc euh, à moitié qui à moitié agricole, à moitié pastorale. Donc vraiment, il, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de, difficultés, il y en a des difficultés de tout temps. Et même les couloirs de passage... à donc vous faites cas, certaines sont dans les zones un pastorales et agricoles. Donc là, il a fallu aussi des, grandes, des, gros moyens pour pouvoir euh, faire des missions avec les SPCOPOCOM, les secteurs pour pouvoir sensibiliser les gens à ce que les couleurs de passage ne soient pas exploitées par, le, par les paysans ou les cultivateurs. Donc il y a eu vraiment un paquet d'activités avec notre partenaire forcé qui nous a fait 40 km de certains couloirs donc, il y a eu des sensibilisations au niveau des communes pour pouvoir assister. Et en dehors de ça, comme je l'ai dit, la mairie fait toujours recours à des partenaires. Il y avait un partenaire qu'on appelait ProRest, qui, à travers auquel nous avons soumis un TDR, donc avoir la mise en place des couloirs pour pouvoir faire des missions de sensibilisation dans les zones, cinq zones. Donc, euh, avec euh, cette mission a été composée des maires, des chefs de groupement, des acteurs euh, de SPCOFOCOM, et des, les départements, les départementaux qui ont pu, euh, les services techniques départementaux pour pouvoir sensibiliser. On a fait chaque jour dans les zones. Tout cela pour pouvoir atténuer et sensibiliser les gens qu'ils peuvent cohabiter ensemble, ils peuvent cohabiter vu que les gens respectent les principes qui ont été érigés par les lois et règlements. Donc vraiment, c'est avec ça qu'on a pu sensibiliser et je vous assure que ça a apporté un fruit parce qu'on a pas, on n'a pas reçu cette année des menaces ou des trucs comme ça entre ou bien des blessés. Vraiment, je dirais de l'ensemble, tout ça contribue à ce qu'on a tenu. Et il y a la radio, comme je dis, qui est un moyen canal que nous utilisons aussi pour pouvoir sensibiliser les gens. Merci beaucoup. Monsieur le maire Abdoulaye Goussoumana Sani Ayouba, directeur exécutif de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement, le bassin de la Mara où Converge les écoulements euh, de tous les courriers subissent actuellement un ensablement provoqué par euh, le charriage euh, des éléments solides contenus dans les écoulements des courriers. Comment protéger les cours d'eau ou encore les mares permanentes au Niger Comment les protéger oui, merci bien. Je pense que la première des choses, c'est d'éviter, comme ce qui se passe à Niamey, que le fleuve que les cours d'eau soient les dépotoirs. Voilà, parce que Il ne faut pas déverser les, ah, objets, les déchets solides. Non, non, les, les, les, les déchets doivent être gérés au niveau des dépotoirs réglementés à cet effet. Et après, la mairie, la municipalité doit trouver un plan de gestion des déchets qui permettra d'éviter que ces cours d'eau, que ce soit la mare ou le fleuve, soient vraiment la finalité par rapport à nos déchets. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que j'ai dit en termes de, il faudrait qu'on protège à travers des plantations en amont et en aval de, de, Quel genre de plantes, euh, par exemple non, non, non, il faut, il faut juste euh, des espèces locales, des espèces endogènes qui, qui ont l'habitude parce que quand on regarde euh, l'ensablement, c'est un phénomène là, hein. ce n'est pas tout de suite, ça s'est produit, mais c'est au, au fur, et à mesure que nous coupons les arbres à travers le reboisement que les gens ont fait, est-ce que, les activités agricoles aussi ont des conséquences euh, sur l'ensablement des mares Non, les, activités agricoles, on peut dire, mais... On voit des jardins un peu aux alentours euh, du, du fleuve Niger, un peu partout aux alentours des cours d'eau, des, mares permanentes au Niger Oui, en fait, toute activité qui permet de fixer les sols sont des activités qu'il faut promouvoir. Et ah. la plupart des activités agricoles permettent de fixer les sols. Par contre, le contraire serait quand on fait le déboisement, on coupe les arbres. On ne fait pas du reboisement pour compléter ou bien pour corriger ce qu'on est en train de faire. Qu'il soit des vents violents ou des vents lents et tout, ça, c'est des phénomènes qui peuvent progressivement amener le sable au sein de, des cours d'eau. Et c'est ça qui va faire, parce que le phénomène d'ensablement, c'est un phénomène qui prend du temps, hein, ce n'est pas tout de suite et maintenant. Et aujourd'hui, eh, les gens pensent que non, il faut aller juste euh, faire ensabler et puis amener des camions pour prendre l'eau, euh, les sables et puis c'est fini, ça va revenir à l'état normal. Non. Donc c'est pourquoi euh, nous, ce que nous disons dans nos actions de sensibilisation, c'est d'abord de comprendre ces phénomènes-là, comment ça marche. Quand les gens comprennent, ils prennent conscience de comment ça fonctionne, ils seront en mesure de mieux protéger et d'éviter les actions qui font du tort à l'environnement. Donc, c'est-à-dire euh, la gestion rationnelle des déchets, les activités qui évitent euh, en tout cas de couper inutilement des arbres, ou même si on coupe des arbres, il faut compenser cela, il faut planter et faire plus de reboisement que le contraire. Ça, c'est très important. Maintenant, les activités agricoles de maraîchage et autres aussi, il faut bien organiser cela. Et puis maintenant, promouvoir davantage les essences locales, parce que c'est les espèces locales qui ont l'habitude de pousser au niveau de, ces surfaces-là. Et donc, c'est ça qu'il faut promouvoir. Tu ne peux pas amener d'autres espèces exotiques, comme je vois ici, les gens font la promotion plus des espèces exotiques par rapport à la beauté, et, et qui ne prennent pas avec le contexte. Mais maintenant, le contexte notre sol, ou bien le, le sol qu'on a, ou bien notre environnement, a l'habitude de certains types d'espèces qu'il faut promouvoir. Et maintenant, il faut associer tout le monde. Ce n'est pas une activité, ce n'est pas des actions qui concernent spécifiquement que les pêcheurs, puisqu'on s'est dit que c'est eux qui ont besoin de l'eau, ou bien les agriculteurs ou les éleveurs. C'est l'ensemble de la communauté, et que ce soit les jeunes, ou les femmes ou les enfants, tout le monde doit être sensibilisé à son niveau par rapport à son degré de compréhension pour qu'ensemble on puisse préserver et protéger. Et comme je l'ai dit, ça, la mare de Tabalak fait partie des sites transables. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées, qui permettent de catégoriser également cette mare et puis de voir les risques, la vulnérabilité, les risques de climat. Les études existent. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est de prendre ces données et de traduire les recommandations en projets et programmes, ce qui va nous permettre vraiment de sauver cette mare, de régénérer en tout cas l'eau euh, autour de cette mare ainsi que les autres cours d'eau que nous avons au Niger qui sont malheureusement victimes de la même situation. Euh, du contexte climatique très dur que nous avons au Niger, mais surtout de l'attitude de nos communautés qui contribuent aussi de leur manière à la dégradation. Merci beaucoup à tous. La technique me fait signe que nous sommes au terme euh, de ce forum du studio Nous avons eu le plaisir de recevoir Ibrahim Harouna Mayaou, chef de division en développement de l'aquaculture à la direction de la pêche et de l'aquaculture à la direction générale de l'environnement au ministère de l'environnement de la lutte contre la désertification. Abdoulaye Goussouman, maire de la commune rurale de Tabalaka, et Sani Ayouba, directeur exécutif de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 52 radios partenaires. Merci aussi à la technique côté son assurée par Abdelkader Tchombiano, à la réalisation Réalisation Mustapha Ayouba. Merci, au revoir.